Sénégal euh, continue de le nec. c'est vrai que le euh, lu mu euh, précédemment sans des qualification Coupe d'Afrique 2017 parce que c'était six matchs victoire puis hmm. cinq victoires un match nul mais c'est une équipe qui a euh, maintenant nous avons lu jafe lu ñu manqué un, la culture de la gagne hmm. Sénégal bi moi Aliou Cissé côté Bobo il a réussi à inculquer cela à ses joueurs. Hmm. Le match jafe fait, jafe-jafe fait. jafe euh, dañuy gis ay joueurs ils xam ne paniquer. dañuy dem résultat bi à défaut de faire match nul ils vont chercher la victoire et c'est important pour un compétiteur. 2006 hmm. euh, je pense si je ne me trompe pas si mes souvenirs sont bons le Sénégal Gadio Nek, première nation africaine. Mais nous, ces deux dernières années on trône très souvent sur le toit du continent Le, ñu maintenant le Gane a également dans une donne c'est pas parce qu'il est là hein, euh, moi je suis trop direct dans ce que je dis et ce que je fais les on maîtrise les déplacements de l'équipe nationale du Sénégal ils sont ils sont dans un dans un confort pour ramener mmh. ça leur permet d'aller chercher les performances. Et donc c'est important dans le sport du haut niveau. On n'est plus dans les tracasseries de, de titres de voyage, on n'est plus dans, dans, les tracasseries de, de, de, de vols commerciaux, d'hébergement et tout ça. Maintenant, tout est maîtrisé dans l'environnement. Il y a toujours une mission de prospection qui devance l'équipe, qui tâte le terrain avant l'équipe de Nare, Boulen Sar. on leur donne un avion privé. Mm-hmm c'est des conditions à ne pas négliger. Mm-hmm. un déplacement de l'équipe nationale coûte au bas mot si je me trompe le ministre me rectifie 200 millions. Hein. c'est clair hein. en mm-hmm. titre dommage. Mm-hmm. c'est important et nous noonu tey gis nañ ne maîtriser l'environnement environnement boobu moo waral tey équipe di def performance yi tey bu ñu ci ay tracasseries euh, un pays Mhm. mais ils ont le temps de récupérer ils ont le temps de voyager très tranquillement dans un confort extraordinaire ils sont dans des hôtels 5 étoiles euh, éliminatoire à compétition mhm. de mhm. c'est des c'est, des paramètres entraîneur moom euh, il a déjà connu une coupe d'Afrique en 2017 Nous, nous éliminer sans défaite hein. Hmm. n'oubliez pas que Sénégal si ñu éliminé en 2017 euh, Sénégal connaît la défaite tu hmm. bii lañ ko éliminé hmm. dans le temps réglementaire et les prolongations la ñuy comptabiliser la défaite mooy génn une compétition sans défaite te ku ko éliminé moom mu déjà jël coupe d'Afrique bi euh, les nous ñun journaliste le Sénégal a des difficultés face à des équipes qui mettent un bloc bas ñu mu dal ñu contre Ouganda un match amical avant de jouer Guinée équatoriale première journée qualification Coupe d'Afrique 2019 Nous dóor 3-0 Si c'est mon petit popom, reconnaître cette équipe a des difficultés.